Nigerian ami de la Fada, bonsoir et bienvenue à Minamuna Fada da fatan kuni lafiya. Barka ku da shuwa wannan shirin namu na matasa mai farin jini da studio Kalangu ke gabatar muku kowane mako. Bien calé de la capitale économique à 10 pays Maradi, ce numéro sera super intense. Suivez-nous pas à pas, vous verrez pourquoi. Dans un contexte où le chômage des jeunes est un défi majeur, l'entrepreneuriat apparaît comme une solution prometteuse. Cependant, l'une des clés du succès entrepreneurial réside dans la valorisation des produits locaux. Ces produits sont souvent sous-estimés par un bon nombre de personnes, pourtant ont un potentiel énorme pour stimuler l'économie locale et créer des emplois. C'est pourquoi nous avons choisi pour thème les jeunes face à l'entrepreneuriat, comment valoriser les produits locaux. Pour en parler ce soir, nous recevons Lady Diana la promotrice de Lady House Creation. Et... Bonjour, moi je m'appelle Al-Bashir Moussa, je suis communicateur digital à Dev 4 Smart. Bonjour, euh, moi je suis Hamad Abdel Nasser. Je suis le promoteur de l'entreprise b 227, qui est une entreprise agricole à 100% biologique. Enchanté. bonjour. Moi c'est Dr Labo Mariama. Je suis euh, promotrice de Savaounia Island. Bonjour, euh, je suis Ibrahim Maurice Amira. Je suis chef de division normalisation à l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification ANMC. Alors, Amigène, bienvenue. À la présentation, c'est Maria et à la technique, c'est Kader Chambiano. La FADA, comme vous le savez, Amigène, s'est accompagné d'une rubrique rose, de la bonne musique et une chronique. Tout ceci en 35 minutes chrono. Top, c'est parti la Amijen Lafada Sepasa Maradi inda zam tattauna kan mahimmancin kasuwancin matasa. Dans cette première partie, nous allons parler de l'importance de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Je commence par vous, Lady Diana. Oui, Myriam. Mounasso Mousseni, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat Kamar yanda na ce muku entrepreneur da ake cewa kawai kasuwanci ne in ana iya kan cewa a Hausa. Kasuwanci ne amma yanayin da zaka je da kasuwancinka a turance entrepreneuriat ba ce maki ga ainihin tikatik abin da ya ja ni ya kai ni hau wannan matsayin amma zan iya ga miki a gidanmu duka 'yan kasuwa ne abin da ya kama daga tsoyi da uwaye har ubanne har zuwa kakanni kenan me zai sa aka ce eh, me akan ce samu wannan karin maganar eh, barewa ba za ta yi gudu dan ta yi rairai ba ko ba haka ba saboda shine kika gani ni ma na dosa cikin wannan aikin kamar zan kara um, baza ku shi aikin namu da muke yi na kere-kere le recyclage que euh, vous venez de constater mun fara shi tun 2014 ne a 2014 lokacin da muke taimaka ma mata e, guragu muke koya musu aiki da sauransu to daga nan ne kin gane duk abin da zaka yi a cikin lamarin entrepreneuria on dit de choisir euh, un problème à résoudre et man qui, qui émane une solution très très très forte kin gane qui qui peut impacter la société, l'environnement, etc. Shi sani muka opte biskan wannan activité na recyclage. Mun zo On peut savoir qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'entrepreneuriat Dans l'entrepreneuriat, bon. Euh, l'entrepreneuriat est un euh, sujet d'actualité au Niger parce que euh, la masse est vraiment très quantitative des jeunes qui sont diplômés et qui n'arrivent pas à être absorbés par le marché de l'emploi. Donc euh, vraiment que d'attendre euh, un geste euh, de l'État ou bien des différentes entreprises privées pour qu'ils vous embauchent. Pourquoi ne pas prendre en main votre destin et essayer de voir comment vous pouvez être demain dans cette situation-là où vous aussi, vous pouvez donner de l'emploi à des jeunes comme vous qui sont dans la même situation. Qu'est-ce que nous, nous pouvons faire à l'État Qu'est-ce que nous pouvons apporter à cet État-là oui, je pense qu'en entreprenant, je pense que vraiment, euh, on prend en main son destin. Il ne faut pas avoir peur de s'engager parce que c'est ce qui freine beaucoup de gens. Ils se demandent s'ils commencent, est-ce que ça va marcher Est-ce que ça ne va pas marcher Est-ce que ça va marcher ou bien ils vont échouer Ils savent que ça, nécessite comme moyen et tout ça, c'est ça qui leur fait peur. Mais en fait, il ne faut pas se poser ces questions-là. Il faut juste se lancer. Il faut se lancer et voir ce que demain sera fait. Pour le moment, euh, je dirais que, euh, comme euh, Bachir l'a dit tout à l'heure, pour le moment, c'est plus par rapport aux problèmes qu'on a, n'est-ce pas, par rapport à, la santé, si vous, si vous voulez aussi. Parce que nous, on a opté pour la plante de Kinkeliba. Donc, pourquoi le Kinkeliba parce que euh, non seulement ici euh, au Niger et en Afrique en général, on sait tout le monde tout le monde sait que le paludisme n'est-ce pas euh, fait beaucoup de morts toutes les toutes les années n'est-ce pas et nous vraiment on a opté pour cette plante là donc on fait nous-mêmes la production et ensuite la transformation donc vous voyez pour le moment non seulement moi je me suis créé de l'emploi et aussi j'arrive à embaucher des gens vous voyez donc voilà un peu ce qui m'a vraiment motivé à entreprendre oui oui <laughs> Malama. Salamu alaikum, sai eh, Mariama. Mariama, Takwara, eh, to shi Haka ne. <laughs> To ni ma zan tattauna da Hausa. Zan sa ɗan Hausa kaɗan tun da muna garin maraɗi ni ba maraɗa ce. Mhm. Don ka in yi tattauna da Hausa. Eh, ni da horko entrepreneuria abin da ya sa ni ciki c'était vraiment une passion je suis médecin de formation. Mhm. Donc euh, c'est un peu atypique souvent de voir un médecin qui est dans des activités comme ça. Donc moi c'est parti d'une passion. Je travaillais euh, dans une clinique privée. Après je suis tombée enceinte de mon deuxième fils et j'ai dû arrêter. Pendant, pendant mon congé de maternité, que j'étais là, je faisais rien et tout, et c'est parti de là. Je suis dans Saronia Land, c'est avant tout Saronia Fashion. On est dans le dans la mode, d'accord On est dans la conception de tenues fashion modeste. Ok. Ça fait lui. Donc euh, c'était vraiment ça, c'était un temps mort où j'avais rien à faire. J'ai commencé à faire mes designs et c'est parti comme ça. <laughs> voilà. Parti de là. Oui, c'est parti de là. Diana Ladies. mun kardawa gare ki muna so mu sani wani irin kalubale ne kika fuskanta a farkon tahiyar taki. cikin ta ga vous savez, dans l'entrepreneuriat, on va jamais dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Bien, il n'y a jamais eu d'obstacles. Tant que tu dis que tu vas entreprendre quelque chose, oui, jarabawa, hum, je peux dire que dans l'entrepreneuriat, vraiment, j'ai pas mal endossé et enduré. Que ce soit euh, côté familial, si je dis côté familial, pas les parents, mais des membres de famille qui disent que, ah, la fille la quoi Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu te consacres à faire ce genre d'activité ah, je euh, Tu ne <laughs> pars pas travailler, étudier. kowa in ya tashi ya yi karatu yana cikin biro da sauransu to Allah na tuba sai ke quelqu'un euh, quelqu'un qui se trouve dans dans un bureau certaines n'ont pas ce que je gagne dans le mois eh, ni na gode ma Allah ga yanayin da nake a ciki saboda albarkacin aikin hannu babu inda ban karasa ba bisa kan aiki hannu a turai ban ga inda ban shiga ba saƙo lungu lungu abinda karatu bai bani ba karatun ma ina cikin dai zama ne ma na sheƙi kawai na bar shi na shiga harkar kasuwanci na saboda kamar yadda sarauna fashion ta ce hawaye ah, eh, sayin passion kin gane abin kana son shi har ga Allah ka sa aniya akan cewa zaka aiwatar da shi to sai ki gani Allah ya maka falala a duniya kuma kin same shi ko ba haka ba kalubale wannan baka ce ga yanayin da ka shiga tikatik don wa'anda za su soma cikin wannan aikin kasu um, dekuraje kin gane kasu kariya a cikin wannan aikin kin san baka cewa ainihin ga eh, lamarin koko haɗu tashi da kai cikin aikin saboda kowa ya danganci da yadda Allah zai jarraba shi c'est pas évident que moi parce que j'ai passé de l'autre côté toi aussi forcément tu ne zaki bi kin gane kina komai da kaddara shi yanda Allah zai gudanar da rayuwar shi dan kuma kan mu karya mu wanda za su zo ma cikin entrepreneurial gwiwa abin da zan cewa dai ko mun kankanta abin da ke gare ka ka iya cikin c'est tout ce que je peux dire merci Muna so mu sani quels sont les défis que vous avez rencontrés au début de votre parcours entrepreneurial Donc au début c'était euh, plus euh, sur, sur les questions, bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est la bonne idée, comment faire, euh, est-ce que j'ai assez de moyens pour le faire et l'expérience même, est-ce que c'est un domaine dans lequel, voilà, vraiment, est-ce que je peux, est-ce que je peux. Et vraiment, je peux dire que c'est une idée que j'avais depuis 2017. Parce que j'étais dans une entreprise, donc en tant que euh, salarié. Je peux dire que j'ai commencé avec même 50 000 francs. Hein. Mais là, vraiment, le niveau où on a atteint, vous voyez. Donc si je n'ai pas commencé, aujourd'hui, Saveur Bio 227 ne serait plus là. On voyait un peu. Mariama. Donc, euh, merci. Mhm. Par rapport aux défis, c'est ça la question, n'est-ce pas Les défis, comme euh, Diana a dit, il y en aura toujours en entrepreneuriat. D'ailleurs, même euh, souvent on dit que l'entrepreneur, il est un peu maso. Il aime la souffrance parce que c'est vraiment un domaine qui, te prend beaucoup, qui ne paye pas forcément. Euh, du coup, moi, par rapport aux défis, j'en ai eu plein, honnêtement. J'en ai eu plein. J'ai commencé à entreprendre euh, en 2019. Ça fait cinq ans maintenant. Aujourd'hui, je suis à la tête de trois entreprises. C'est parti de mhm de à Fashion, une passion que j'ai su monétiser. Donc c'est pour ça que honnêtement, moi, j'aime beaucoup encourager les gens quand tu aimes quelque chose et surtout dans l'entrepreneuriat, entreprendre dans ce que tu aimes. Parce que c'est tellement, il y a tellement de défis que souvent quand il n'y a pas cette passion-là, tu risques de lâcher. D'accord, donc euh, voilà les défis. Le, plus souvent, c'était le stéréotype. Moi, ce qui m'a vraiment fatigué, ah, tu es docteur, tu fais exposition, qui est docteur, qu'est-ce que tu fais, qui docteur. Et aujourd'hui, ça fait six mois que je suis euh, propriétaire de ma propre clinique. Alhamdulillah. Donc, euh, et, ah oui. <laughs> oui et franchement, si aujourd'hui je suis arrivée à la clinique, c'est parce que j'ai commencé à entreprendre avec euh, ce que je pouvais. Petit à petit, ça, c'était Saraunia Fashion, je faisais que les tenues. Après, on est arrivé à Saraunia Land. Donc, vous voyez, c'est parti vraiment petit à petit. Le, défi majeur, c'était tu es docteur, tu fais <laughs> la vente, tu fais. Donc, finalement, j'avais mon objectif de clinique à la base, mais j'avais pas les moyens forcément et c'était peut-être pas le bon moment. Donc j'ai commencé avec ce que je pouvais et petit à petit. Oui, voilà. Samira. Oui. Ah, Muna so kina certification da D'accord. Et je voudrais surtout attirer moi l'attention sur euh, ici euh, tous mes amis sont entrepreneurs donc je suppose qu'il y a ceux qui font également, ceux qui sont dans la transformation, que ce soit cuir et peau, les tu fais des sacs, voilà. que ce soit également dans l'agroalimentaire. J'aimerais juste ajouter que pour la promotion de leurs produits ici, il faut valoriser le produit. Pour qu'un produit soit euh, vraiment connu, soit... Euh, vraiment compétitif, que ce soit ici au Niger ou bien à l'international, il faut vraiment le valoriser. Et la valorisation, ça passe euh, évidemment par la certification. Quand on parle de certification, c'est pour euh, voir si les produits, euh, ceux qu'ils produisent ou bien ceux qu'ils transforment, répondent à des exigences de qualité. Parce qu'il y a un minimum de qualité qui est, qui est exigé pour qu'un produit, ne serait-ce que même pour l'exportation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous produisez les produits, évidemment, c'est pour arriver à couvrir non seulement le national au Niger, mais également l'international. Donc quand vous aspirez à exporter à l'international, il faut que le produit ait un minimum de qualité. Donc il faut que le produit soit certifié. Donc euh, je vous invite vraiment, je vous invite pas, mais quand même, euh, je vous, je vous propose, non, non, non, <laughs> vous invitez parce que là, je, vois qu'il y a un peu beaucoup qui sont encore un peu au stade donc il faut voilà, au stade du commencement, donc vraiment, il faut aspirer à, venir vers la certification de, vos produits. D'accord, Mungode. Euh, moi, c'est Fatma Taguero. Je suis la copromotrice de Gueros Extend. C'est une entreprise qui est tenue par trois sœurs, moi, ma grande sœur et aussi ma cousine. On est dans la beauté, le henné. Plus précisément, on a débuté par le henné. On nous connaît plus sur Gueros Beauty avant d'arriver à Geros Extent. On est aussi dans la mode, la mode voilée, les abayas, les kimars et tout. Et aussi, on fait de l'encens et de la parfumerie. D'accord, Renzo, on aimerait savoir, que pensez-vous de l'impact de l'entrepreneuriat sur les jeunes Je dirais que maintenant, beaucoup de jeunes aspirent à entreprendre Ils aspirent vraiment à entreprendre parce que dans l'entrepreneuriat, on peut facilement devenir indépendante. Parce que moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat pour vraiment devenir indépendante financièrement, tout d'abord et aussi après aider les autres à aussi devenir indépendants en les engageant un peu et aussi à former, comme on fait aussi des formations. J'ai eu à former trois dames sur le henné et aussi on fait des formations sur l'encens aussi. La couture, on n'a pas trop fait de formation en couture parce que c'est un peu compliqué aussi, ça prend du temps. Les jeunes veulent vraiment entreprendre. Mais le souci, c'est que les gens, ils ils veulent entreprendre maintenant et avoir les résultats maintenant. Mhm. C'est ça. Dès qu'ils commencent à faire quelque chose, ils voient que non, ça ne marche pas. Ils vont laisser un domaine, peut-être la pâtisserie. Ils vont laisser la pâtisserie pour aller dans un autre domaine. Mhm. Et de là, ils sont en train de mélanger plusieurs, plusieurs choses. Et du coup, à la fin, ils se découragent dans l'entrepreneuriat. Mhm. Diana Oui, Myriam. Que pensez-vous de l'impact de l'entrepreneuriat chez les jeunes Moi, je me dis, ces deux dernières années, les jeunes ont commencé à se ressaisir Oui. Et sun fara san ciwon kansu. Saboda à savoir que, comme il a dit mon, mon ami, l'État ne peut pas embaucher tout le monde, ça on le sait. On l'a su trop tard. On l'a su trop tard. sai da mu lokacin nan kika tambayi ni kawai na son zama dokta ce wadda ya ta yage tumbun mutum ta wadda ciwo. Ko kuma ki ki iske ni lauya ina nan ga kare Miriam in ta haɓa na ko ba ka ba. Or que c'était pas ça. Comme elle avait dit, vraiment, c'est bien d'être euh, euh financièrement indépendant dans la vie. Yo baba abin da zai burge ka rayuwa sai a ce kana kashe kuɗin ka naka cas. ka ci yanda kake so ba wanda zai ce yayi yawa ba wanda zai ce maka a j'ai daɗi kake ji idan kina kashe kuɗin ki tu sens que c'est c'est de l'argent pur c'est ta sueur wallahi ça a beaucoup d'impact l'entrepreneuriat beaucoup beaucoup ça t'aide à être vraiment indépendant dans la vie à te respecter à, à atteindre un niveau que tant que c'est toi le promoteur, tu vas te sentir euh, et important plus que d'autres qui ne font rien. Donc, euh, je peux dire Alhamdulillah ces deux dernières années, vraiment, que ce soit les femmes, les hommes, vraiment, elles essayent, vraiment. Et ça a impacté beaucoup aussi. <laughs> Abdullah Sermouna ce que pensez-vous de l'impact de l'entrepreneuriat chez les jeunes? To, na entrepreneuriat yanzu mutane eh, janoni surtout matasa sun har gane menene muhimmancin shi yau yanzu kowa na sa ko menene zaka iya yi dan dai kai entrepreneur dan dai kai ma ka samu naka na kanka oui Quinze, je pense que vraiment euh, les, gens, euh, les jeunes commencent vraiment à s'intéresser dans ce domaine-là et à s'investir. Donc je pense que vraiment euh, l'impact, eh, l'entrepreneuriat commence à avoir un impact positif sur la jeunesse. Amis jeunes, amis de la FADA, il est temps pour nous de faire place au fil de studio Kalangu pour écouter la rubrique Rosa. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique, du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagés par nos chroniqueuses. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Dans la rubrique rose de ce soir, nous vous amenons à Gaïa. Et ensemble, nous allons découvrir la recette de la fameuse bouillie culte de cette ville, le komondi. Balkissa Sidi nous dit tout de A à Z. On l'écoute. To Allah idan zaka kashe komandi ya kasance kana da kullun ka aje, kullu misali in na dawa ne kana da shi aje sa'annan ka tukunyar ruwan zahinka kahin da ruwan zahin sun tafso ya zamanto a kullun ka da dan kullu kaɗan da za ka sa ruwa kaɗan cikin shi ka gama kayan kamshi ga tukunyar nan ta tafso yanzu tukunya ta san tafso sai in kwaso ruwan zahin sai in zuba a cikin inda kullun yake Eh, idan na zuba nan sai ina da mukiya ta ai karama wadda nke zan tada da ita sai in motsa in tada don kashe zama tuwo tunda idan ba ka tada shi yana iya kulle ma ƙasa kana ga kullun da ka hidda wanda ka gama da kayan kamshi shi ko kullun sai yanzu idan ka tada wa'ancan da ja ana misali wanke ya abun nan yan sai ka ɗauko kullun kenan da ka zuba ma ruwan zahi sai ka ɗauko shi ko kayan kamshin da ka ɗan sa ma kullu kaɗan ruwan ba su da kabri ruwa ne da ka sa kullu da ka zuba ma dan ruwa kaɗan da kayan kamshi shi ma kayan kamshi sai ka fiɗi ɗan tame haka sai ka zuba shi shi ma sannu sai ka tada in ka tada ya gamu kenan sai ka ɗan ɗibi ɗan ruwa haka su ma masu sanyi da ba ruwan zafi sai ka ɗan yayyafa sama saboda kashi hwata tunda abu in yana da zahin kafin a shi zai iya yayi kwata. kenan sai ka ɗaya ruwa kashe kwata inda ka kashe kunu za ka liƙe shi a rabi ka liƙe shi gaba ɗaya saboda idan ka liƙe shi gaba ɗaya kuma zai ƙara da kowa ƙwarai sai ya zama irin wannan kamar kunu wannan kuma komandi ne ba kunu ba a so ya dahu ƙwarai shi yasa ka kashe ka ɗan sa ɗan ƙaramin ɗan ƙullun kaɗan na ruwan ƙamshin sai ka ɗan liƙe shi a rabi eh tunda ka ya mai ruwa da ya samu ya ɗan sanyi irin wannan in ka tashi kawai sai ka ɗibi naka komandi Et voilà les filles, c'est tout pour la rubrique rose de ce soir. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour d'autres bons plans. fire. Voilà, c'était là la rubrique Rosa du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission Tous à la Fada qui se déroule actuellement à la foire qui se passe à Maradi, la huitième édition de FONAFA. Et pour thème, aujourd'hui, nous parlons de comment les jeunes peuvent valoriser les produits locaux à travers l'entrepreneuriat. Bachir, tu peux répondre à la question, non Voilà, comment valoriser les produits. Donc euh, nous, dans ce cadre, nous pouvons euh, proposer beaucoup de choses aux jeunes entrepreneurs parce que euh, Smart fait de la conception de sites web, elle fait aussi de la création des applications sur mesure en fonction des besoins du, du client. Et nous faisons aussi de la communication digitale sur les réseaux sociaux. Donc nous aidons. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs, un certain nombre de particuliers aussi, dont nous gérons les pages sur les différents réseaux sociaux. Donc nous contribuons à augmenter la notoriété de leurs entreprises et de leurs activités. Donc euh, c'est très important la communication digitale de nos jours. Je pense que c'est un outil facile à utiliser et qui est quasiment gratuit. Et actuellement, c'est l'outil d'information que les gens utilisent le plus au monde. Plus personne maintenant ne s'informe pratiquement plus sur les journaux ou même à la télévision. Oui, parce que d'ailleurs, la plupart des... Nous sommes sur, un plateau de radio. Mais il y a des gens qui, qui suivent Kalangu sur, euh, sur leur page Facebook. Il y a des gens qui suivent euh, l'ORTN sur leur page Facebook. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose euh, vraiment à ne pas négliger. Voilà, donc là nous avons un certain nombre de produits. Notre produit phare, Saoki Web SMS, d'ailleurs c'est lui que je suis venu exposer à, la foire. Donc c'est un produit de SMS marketing. Donc vous, l'utilisez pour envoyer des, des messages de fidélisation, d'information ou le changement sur vos activités. Vous voyez les messages qu'on envoie, oui, comme euh, par exemple euh, bonne fête de fin d'année, bon début de semaine. Donc euh, ce sont des sains outils de fidélisation. Vous faites une promotion, vous pouvez lancer ça à vos, à vos clients. Donc c'est facile à utiliser. Vous arrivez sur la plateforme, vous faites une base de données de tous vos clients et vous faites le message pour, pour l'envoyer. Donc je pense que vraiment c'est quelque chose qui peut beaucoup aider les, jeunes entrepreneurs. Samira, comment peut-on promouvoir le marché des produits locaux Merci pour la question. D'abord, euh, j'aimerais parler un peu du processus et de l'application même des normes dans ce que vous produisez. Parce que vous êtes ici, je crois qu'il y a ceux qui font de la transformation. Vous transformez quelque chose, vous vendez quelque chose. Et à l'ANMC, nous, avons des normes, nous avons des normes dans presque plusieurs domaines. Nous avons des normes en agroalimentaire, nous en avons en produits chimiques, nous en avons en matériaux de construction. Et produits chimiques, euh, nous en avons, euh, je parle toujours d'elle. il y a cuir et peau même. En agroalimentaire, nous en avons également beaucoup. Lorsque vous utilisez la norme dans votre processus de production, la qualité commence de là, parce que la norme, c'est elle qui fixe les critères de qualité du produit. Donc quand vous utilisez la norme dans le processus de production, dans la transformation et même dans la commercialisation, donc vous gagnez, oui, vous gagnez en termes de conservation de votre produit, vous gagnez en termes de d'efficacité, d'efficacité même, le temps de production même, si vous regardez, ça réduit, vous, et ça vous génère encore en fait plus de profit. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, bien sûr, c'est vrai, c'est de la passion, mais il y a également le côté profit. Et parce que vous conviendrez avec moi qu'un produit qui a été fait dans de bonnes qualités, qui a été fait dans des conditions qui sont contrôlées. Lorsque un client vient ou bien un consommateur vient pour payer, certainement il va aller vers un produit qui a été fait dans de bonnes conditions, un produit qui est fiable plutôt que d'aller vers un produit qui est moins sûr. Donc le respect de ces, de ces normes-là vous, vous donne vraiment plus de profit, et euh, ça donne plus de la valeur à votre produit. Vous pouvez, vous avez non seulement le consommateur, il a la garantie, mais surtout vous aussi, vous avez plus de garantie. Vous avez confiance en votre produit. Voilà, ma soeur, nous prenons une petite pause musicale. Je rentre tard, je le dis pas. Je suis pas très loin en bas du bloc. Nos sentiments sont condamnés. J'ai 20 balles en bas du bloc. Ici, pas d'hirondelle, c'est les balles qui sifflent. Pardonne-moi, ma belle, je t'emmène loin d'ici. Le tu me tu j'entends les balles qui sifflent. Pardonne-moi, ma belle, je t'emmène loin d'ici. Je traîne la nuit gantée. Je me sens menacée J'aime tes conseils, t'es ma dulcinée. Jolie bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur sans souci. joli bébé, ma douce, je te donnerai mon cœur. Je te le donnerai de toute façon, y'a que toi dans mes pensées. L'impression que je suis bloqué, mon passé me rattrape, tu moi qui la faute. Y'a que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire, tu seras la merde, même toi t'es pas comme les autres. Coco Chanel Louis Vuitton J'arrive comme un coup d'état nez je dois faire éviter Pour toi je serai obligé de t'aimer en faisant attention Tu me trompes je deviens assassin Le vrai qu'une rotation Ça va finir en pension Elle critique mon train de vie que je suis criminel Quand elle sort le samedi Je me sens privé d'elle Je suis dans les affaires arbées J'ai ça dans les veines J'suis dans les boys arbées J'suis dans les boys Je suis de la zone pépé Tu le savais depuis longtemps j'avais dit qu'on ferait pas semblant. J'suis dans la zone, bébé. Mais c'est plus comme c'était. Joli bébé, ma douce. J'te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce. J'te donnerai mon cœur sans souci. J'te le donnerai de toute façon, Y'a a que toi dans mes bayan mun huta za ci gaba da gabatar muku wannan shirin namu na afada qui a pour thème les jeunes face à l'entrepreneuriat comment valoriser les produits locaux qui se passent actuellement à Maradi dernière partie de notre émission tous à la fada Lady Diana, Muna Somseni, quelle est votre vision de l'avenir des produits locaux sur le marché tun da gaskiya a yanayin da muke so muna so eh, mu baza kolin mu a ko ko'ina a fadin duniya abin da ya kama a kasashen makwabta zuwa har kasashen waje balantana a wannan lokaci ma mun soma kuma muna roƙon allah subhanahu wataala kuma ya kai ya ja ya yi jagora ya kai mu inda ba a tsammani inda lalle da an ga wani babban abu ko kuma a gani wani produit mai mahimmanci mai kyau sai a ce a wanga daga Niger ya fito to mu za mu yi alfahari sosai idan muka kawo wannan matsayin mun soma amma in Allah za mu eh, girku a ciki in Allah ya yarda. Muna so quelle est votre vision de l'avenir des produits locaux sur le marché? Bon, bah, je pense que vraiment euh, les produits locaux ont euh, de l'avenir, n'est-ce pas? Parce que euh, de plus en plus on voit que les gens, les Nigériens, vraiment sont intéressés par les produits locaux à prendre par exemple les, infusions, nous, de notre côté, les infusions de Kinkeliba. Donc seulement ça va vous garantir, n'est-ce pas, d'avoir des produits de qualité et ça va vous garantir de préserver votre santé. Et surtout, surtout encore plus, à préserver l'environnement parce que nous, nous sommes dans, dans l'agriculture biologique, à 100% biologique. D'accord, dernière question, Bachir. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat Oui, alors, il ne faut pas hésiter faut pas hésiter. Euh, vous avez entendu Abdel Nasser. Euh, lui, son problème le plus sérieux, c'était l'hésitation. Il faut pas hésiter. Il faut euh, se lancer. Parce que vraiment, gagner sa vie en étant son propre patron, gagner sa vie grâce à ce qu'on fait comme travail et ce qu'on vend, vraiment, c'est quelque chose de très passionnant. Et vraiment, il y a de la liberté dedans il y a de l'indépendance dedans et c'est mieux. Voilà. Samira, je vous repose cette dernière question. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat avec des produits locaux euh, merci. Le conseil que je vais donner, c'est d'abord, euh, avant de se lancer, quand tu as un produit que tu veux travailler, que tu veux transformer, que tu veux produire, il faut te renseigner d'abord, chercher l'information à savoir s'il existe euh, une norme nigérienne qui, qui prend en charge ce produit-là. Donc là, quand tu viens tu as ta norme même avant de commencer ton processus de production. Ça te facilite euh, vraiment les choses. À la fin, quand tu finis ta production ou ta transformation au moment de la commercialisation, là tu as déjà ton produit, il sort déjà et fini, valorisé. Donc euh, la promotion de ton produit ne peut que bien se faire. Parce que là, quand tu as un produit qui est de bonne qualité, tu protèges non seulement le consommateur, mais toi-même tu as la garantie d'avoir un produit qui est fiable, un produit qui est sûr. Donc euh, je lance un appel euh, que ce soit aux entrepreneurs qui sont en face de moi, que ce soit à l'endroit des futurs entrepreneurs. Vraiment, la NMC c'est votre meilleur partenaire. Merci. Avant de clôturer, nous allons d'abord faire place à Seno 50% pour nous présenter la chronique du jour. Chers ami de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème universel qui rythme nos vies un équilibre délicat entre la constance et le renouveau. Eh bien, la vie est une valse incessante entre ces deux piliers. Et c'est précisément cette danse qui rend notre existence si fascinante. La constance, c'est ce socle sur lequel nous bâtissons nos routines et nos habitudes. C'est la régularité qui nous offre une stabilité dans un monde en perpétuel changement. La constance nous permet de progresser, de devenir compétents dans notre domaine, de bâtir des relations durables et d'ancrer notre identité. Pourtant, l'excès de constance peut nous enfermer dans une routine monotone, nous faire perdre le sens de l'émerveillement et nous rendre vulnérables au piège de la stagnation. C'est là que le renouveau entre en scène. Alors, amis de la FADA, on se retrouve demain dimanche, même heure, même canal pour découvrir le renouveau, pour enfin voir comment harmoniser la constance et le renouveau. Merci nous, nous Mokozo Karchenchirina Mouna, tous à la FADA qui se passe actuellement à la foire qui se déroule à Maradi. Nous étions en compagnie de Lady Diana, Fatoumata, Bashira, Mariama, Samira et Abdul Nasser tare da su mun tattauna yadda matasa za su iya inganta kayan gida ta hanyar kasuwanci da hanyoyin da ya kamata su bi don su samu ci gaba biskan kasuwancin nasu On se dit à demain avec Habib Garba qui va nous présenter l'émission en zarma et en français. Restez avec nous, chers auditeurs. Bye bye. Merci à tous.